le forum du studio le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio Kalangu, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Il est 18h15 minutes. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamado Moumouni. Les programmes du studio Kalango sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et en Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Mainensoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. Nous continuons notre bilan de l'année 2016 qui vient de s'écouler. Pour ce jeudi 5 janvier, nous avons choisi de débattre de l'assainissement des villes. L'assainissement des différentes villes de notre pays constitue un facteur de développement d'un pays. C'est une préoccupation majeure, en tout cas partagée par toutes les populations, les gouvernants. Assainir nos villes, le pouvoir actuel en a fait sa préoccupation, on peut le dire. On peut le prouver avec la mise en place d'un programme dénommé Niamey Niala, Niamey la coquette, le programme Niamey-Niala ou Niamey-la Coquette est un programme d'embellissement et de modernisation de la capitale du Niger. On verra plus tard. Cette année, Niamey-Niala a particulièrement eu une oreille attentive de la part surtout du président de la République, Issouf Mamadou, qui a présidé en juillet dernier une réunion de haut niveau avec le commissariat au programme Niamey-Niala en présence de l'ensemble des membres du gouvernement. Le but de cette réunion, c'est de faire le point sur la gestion des déchets urbains dans la ville de Niamey, nous verrons aussi euh, ce qu'il en est alors six mois après. Pour les autres villes, on parle de Dosso, Sogan, Maradi, Kolia ou encore récemment Agadez, Sokni. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement en 2016 pour que nos villes soient belles, pour que nos villes soient coquettes Pour faire le bilan, en 45 minutes, euh, nous avons euh, comme compagnon, pour en débattre, le programme Nyamenyala, qui a bien voulu nous accompagner donc à travers M. Diallo Idrissa, Bonsoir à ma droite. Bonsoir, monsieur, Diallo. Vous vous euh, je m'appelle Diallo Idrissa. Je suis assistant euh, au programme Nyame et à ce titre, je représente le haut commissaire ce débat. Merci beaucoup d'être venu et bonne année 2017. Merci à vous. À ma gauche, j'ai monsieur Adam Abdou qui est de la ville de Niamey. Présentez-vous, M. Adam. Euh, c'est Adam Abdou, je suis le directeur général des services techniques municipaux de la ville de Niamey. Merci, M. Adam, et bonne année 2017. Merci, bonne année à vous et à tous les Nigériens. Après Adam, nous avons M. Tini, qui est un urbaniste et qui a bien voulu nous accompagner aussi pour les aspects techniques et puis peut-être la définition de la question de la ville et de l'assainissement. M. Tini bonsoir, M. Mouni. Moi, c'est Tini Younosa. Je suis architecte urbaniste membre de l'Ordre des architectes du Niger. Merci beaucoup d'être venu et bonne année 2017. Merci à vous. De et, et, justement, nous allons commencer avec vous pour euh, planter les décor avec euh, le, sens même de la question de l'assainissement. Quand, on dit assainissement d'une ville, qu'est-ce que ça veut dire Merci, monsieur Mouni, une fois de plus. Mais j'aurais préféré que vous commenciez d'abord avec euh, monsieur le directeur. on peut lui donner la parole. Alors, monsieur le directeur général, allez-y. Qu'est-ce que c'est qu'assainir une ville Oui, je vous remercie. L'assainissement, de façon générale, d'une ville, c'est l'ensemble euh, des infrastructures, l'ensemble des actes qui concourent à dégager les déchets d'une ville dans des conditions respectueuses de l'environnement. Et ces déchets sont plusieurs ordres c'est non seulement les ordures ménagères et les autres déchets solides, c'est également le drainage des eaux pluviales, mais c'est aussi la gestion et le traitement des eaux usées. De façon générale, quand on dit assainir, c'est rendre propre, c'est rendre sain eh, le corps urbain qui est eh, ici eh, pris comme un organisme. Quand quand on prend Niamey, nous savons que des problèmes cruciaux, c'est l'évacuation des déchets solides, c'est-à-dire les déchets des ordures ménagères. Et dans chacun des schémas directeurs qui a été élaboré pour euh, faire face à ce phénomène à Niamey, que ce soit le premier schéma, que ce soit le deuxième schéma, ils ont toujours mis l'accent sur les trois aspects que je vous ai évoqués à travers la gestion des déchets solides, le drainage des eaux pluviales et la gestion des eaux, des, eaux usées. C'est donc c'est l'ensemble de ces, de ces questions-là auxquelles il faut évidemment euh, ajouter toutes euh, les, les gestions de certains déchets spéciaux. C'est le cas des carcasses de véhicules, de, déchets, des meubles usagés mm. qui sont là considérés comme des déchets spéciaux. Mm. Vous avez parlé d'infrastructures aussi. Les infrastructures euh, pour, par exemple, l'évacuation des eaux usées, le, le drainage des eaux pluviales, il faut des infrastructures. C'est notamment les collecteurs, les caniveaux. Pour la gestion des déchets solides, c'est notamment des conteneurs, c'est-à-dire du matériel c'est des types de construction pour le regroupement des déchets. C'est également des infrastructures telles que euh, l'aménagement euh, d'une décharge devant recevoir les déchets ultimes. Donc c'est pour vous dire, en, gros, il y a tout un système d'infrastructures qu'il faut, mettre, en place et qui doivent être gérées de façon efficace pour atteindre les objectifs euh, assignés à l'assainissement qui est d'évacuer, je dis bien de façon euh, de façon respectueuse de l'environnement. Il ne s'agit pas de déplacer le problème, de prendre les déchets de la ville, les envoyer dans un milieu naturel qui peut être contaminé et qui va porter préjudice à la santé des populations. D'accord. Je vais donner la parole à M. Diallo, euh, qui va peut-être donner sa définition euh, en, tant que programme Nyame Nyala. Bon, au niveau de... certainement pas loin de la définition qu'il a bah, donnée. C'est la, euh, définition de, déchets, de l'assainissement est la même. Bon, compte tenu du, programme Nyame Nyala, qui est une des préoccupations du chef de l'État, euh, nous sommes fixés des missions objectifs qui sont renumérées et équilibrées d'ici 2002, le développement de la ville. 2000, 2020. 2020, 2020. Pour ce faire, une attention particulière est portée à l'assainissement et qui est priorisé à travers notamment des activités d'appui à la gestion des déchets hein, pour au, niveau de tous les intervenants. On peut citer la collecte, le transport, le tri, la valorisation des déchets. Et c'est en cela que Niamey vient en appui à la ville qui constitue aujourd'hui l'acteur principal, sans compter que nous avons beaucoup d'autres acteurs qui interviennent. Donc, c'est de coordonner l'action de tous ces intervenants hmm. et leur venir en appui. le volet qui vous occupe le plus, c'est la gestion des déchets. Pour l'assainissement, il y a d'autres volets, mais le volet assainissement, parce qu'on ne parle que du volet assainissement, c'est de venir en appui à tous les acteurs intervenants dans le secteur. Merci pour ces précisions. On va donner la parole à Tini qui a, qui a quelque chose certainement à ajouter en tant qu'urbaniste. Bon, déjà, monsieur le DG a tout dit. L'assainissement, il a déjà défini ce que c'est. C'est juste par définition simple, euh, rendre propre, viable et vraiment améliorer les conditions de vie d'une population. C'est ça, en quelque sorte, l'assainissement, ce n'est rien d'autre. Je veux le paraphraser parce que c'est la même définition. Il l'a décidé définie en ces différents points, tant solides que liquides ou environnementaux. C'est comme ça ça se définit. Il y a les déchets solides, les déchets les liquides et le drainage des eaux pluviales, eaux usées, tout ça là. C'est l'ensemble là qui constitue l'assainissement, y compris bien sûr les moyens de traitement et de tout ça là. Donc euh, la définition, on ne va pas rentrer dedans. Ah, donc on va prendre le cas de Niamey. Oui. On, parle beaucoup de Niamey-Niala. Mais euh, la question que je pose, est-ce que Niamey est une ville saine en, en parlant de votre définition Bon, pour le moment, beaucoup reste à faire pour la ville de Niamey. D'accord. C'est-à-dire, euh, si on essaie de comparer, c'est même pas loin de la sous-région beaucoup reste à faire pour la ville de Niamey. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse considérer une ville comme une ville saine D'abord, euh, pas pour euh, la ville de Niamey seulement, pour l'ensemble, il faut d'abord des études, des outils, un outil de planification. Une ville ne peut se gérer tant et assainissement urbanistique que quoi que ce soit sans une étude préalable. Malheureusement, c'est le grand mal dont souffre Niamey. Niamey manque un outil de gestion, euh, de planification, c'est le terme approprié, de planification pour euh, tous les aspects, tant assainissement que quoi que ce soit. C'est ça qui manque à Niamey. Je, pose la question parce que nous allons écouter un peu plus tard les populations, mais avant, euh, Monsieur Adam, vous allez, la ville de Niamey est-elle saine Oui, je ne peux pas dire saine parce que, en ce sens que c'est comme si on a atteint l'idéal. Mm. On n'allait pas parler de problèmes si la ville de Niamey est saine, mais dans l'un ou l'autre des cas, on peut dire que eh, au niveau de la ville de Niamey, il y a un certain nombre de problèmes d'assainissement que les autorités au plus haut niveau et les responsables municipaux eh, tentent d'indiguer. nous savons très bien que eh, forte concentration humaine expose au cas où ces déchets-là sont mal gérés les populations à des dangers liés donc à, des, à beaucoup de maladies. De ce point de vue, eh, on peut dire que, en tout cas, notre attention, la vigilance doit être permanente. Nous devons garder un système de veille pour prendre en charge les problèmes environnementaux que connaît la ville de Niamey. Et sur ce point, on peut aisément constater ces dernières années les efforts énormes que les autorités mm. au plus haut niveau sont en train de déployer en termes d'aménagement, en termes de mise en place d'infrastructures de haut niveau qui constituent le grand cadrage qui permet d'aller à des, à, des niveaux plus détaillés. Et je crois que la question de l'assainissement est une préoccupation lancinante face à laquelle nous avions toujours suggéré que l'ensemble des acteurs s'y impliquent quel que soit ce que fera les autorités, si la population elle-même ne, met pas, la main. On revenir sur ces aspects. Mais comme vous l'avez dit, l'illustration, c'est peut-être euh, le programme nyamé Alors, avant de donner la parole à M. Diallo, qui est du programme nyamé nous allons suivre les populations euh, de la ville de Nyamé qui ont quand même tenu à apprécier au cours euh, de nos émissions ce que Nyamenyala, après plus de trois ans de mise en place. Jusqu'à là, nous constatons qu'il y a des voies vraiment qui ont été dégradées, surtout la voie Nyamé-Nyala. C'est que vraiment nous souhaitons à l'État vraiment de faire surtout des caniveaux parce que nous, les habitants du secteur, nous sommes en train d'être inondés. Parce que nous, surtout, ce qu'on a besoin, de, surtout, c'est les caniveaux. Quoi. Il n'y a pas de caniveau et puis nous sommes en train d'être inondés un peu partout. Il y a trop de saleté. Bon, encore, il n'y a pas, s'il plaît, il n'y a pas de voie. Mais on n'a qu'à voir les caniveaux pour enlever les saletés et puis même les gens, même n'a qu'à s'assurer et puis saleté, il faut rassembler ça et puis tu vas appeler quelqu'un, ceux qui ramassent, ils vont venir ramasser, aller jeter de loin ou les jeter n'importe où là, c'est pas bon. Ça n'arrange pas le pays quoi. Les autorités, elles-mêmes, souvent c'est mieux de sortir, souvent tourner un peu, elles-mêmes vont avoir ce qui se passe. Souvent, quand il pleut, on ne peut pas passer. Mais si l'eau n'est pas sur la voie, bon, je pense qu'on n'allait pas avoir tout ça là. Voilà, vous venez là de suivre les populations, des avis des populations euh, de Niamey sur euh, le programme Niamey-Niala, plus de trois ans après sa mise en place. On va réécouter encore un autre élément, mais c'est pour dire que euh, le président de la République, au cours de l'année, a présidé une réunion justement de haut niveau avec le commissariat au programme Niamey-Niala et le but, c'est de faire le point sur la gestion particulièrement des déchets urbains dans la ville. C'était en présence du Premier ministre et de tous les ministres qui sont concernés par le du programme. Écoutons euh, le commissaire au programme, M. Mahmoud Mokhtar, sur ce qui est ressorti de la réunion. Il s'agit essentiellement de prendre la filière des déchets de bout en bout, c'est-à-dire de la production jusqu'au rejet, la production au niveau des ménages, en passant par la pré-collecte, la collecte jusqu'au transport au niveau de la décharge. Nous allons identifier, ou bien nous avons déjà identifié tous les maillons de la filière des déchets. Nous avons également identifié les acteurs au niveau de chaque maillon. La stratégie consiste à mobiliser tous ces acteurs pour voir dans quelle mesure nous pouvons euh, faire de la valorisation des déchets, des tri des déchets. Parce que, il faut le noter, les déchets à Niamey, quand on regarde leurs caractéristiques, une très bonne partie, ce sont des éléments organiques. Une autre catégorie, c'est des déchets plastiques. Pour dire que la grande quantité de déchets est récupérable, on peut valoriser ces déchets. L'idée, c'est de développer euh, cette activité qui existe déjà, qui est faite par des acteurs informels. Voilà, le haut commissaire au programme Niamey-Niala, à la suite euh, d'une réunion en juillet dernier avec le président de la République, Aussi, j'ai bien entendu, c'est tout tourne, enfin, l'aspect principal, c'est la gestion des déchets. Mais avant de vous donner la parole, Monsieur Diallo, vous qui présentez le programme, je vais juste demander la différence. Quel est le lien entre Niamey-Niala et la ville de Niamey Oui, Niamey-Niala, c'est le programme conçu par Son Excellence le Président de la République pour euh, apporter tout le soutien euh, dont a beaucoup manqué la ville de Niamey en tant que ville capitale. L'ambition du programme Niamey-Niala. Parce que ce n'est pas pris en compte par la ville Par le passé. Par le passé, vous savez qu'une ville capitale, il a besoin du niveau d'infrastructure que la seule ville ne peut pas financer. Il faut nécessairement l'apport de l'État. Et donc le programme Niamey-Niala a pour ambition de mobiliser et les énergies et les financements et l'ensemble des acteurs pour pouvoir mettre en place les infrastructures structurantes. Donc, vous avez parlé de la définition. D'un certain, certain grand niveau. Si vous voyez, si on prend un échangeur, ce n'est pas à la portée, par exemple, du, d'une ville. du budget d'une ville. Et vous voyez bien le programme de voirie urbaine, c'est un programme très ambitieux. Et le programme Niamey-Niala, c'est vraiment le programme pour faire de Niamey la ville capitale, une ville qui compte parmi le réseau mondial des villes. C'est la même définition euh, C'est la même. Euh, euh, définition pratiquement que vous avez, M. le point de vue, parce que Niamey Niala, quand il l'a dit des, mon introduction, je, vous, disais que Nyamé Niala, c'est pour venir en appui hein, aux municipalités. Et euh, sur le point d'infrastructure, sur le point mobilisation et sur le point euh, stratégie euh, de gestion des déchets de façon générale. Et c'est ce que le haut commissaire, euh, depuis euh, en tout cas que je suis à la mairie, c'est le point sur lequel il insiste, sur lequel matin et soir nous travaillons. Et on est même arrivé à, en ce moment à faire une revue de la stratégie à mettre en place pour essayer, à travers l'existant, voir sous le maillon ce qui marche, ce qui ne marche moins et porter des mesures correctives. Euh, l'une des composantes de cette revue, c'est certainement la gestion des déchets. Le haut commissaire a fait le point en début d'année, vers juillet. Vous avez pratiquement fait six mois et les gens vous ont vu à l'œuvre. Qu'est-ce que vous avez pu faire aujourd'hui Quel bilan six mois après si on s'en tient à la réunion de haut niveau Six mois. Oui. Et euh, le bilan, je pense que les populations en ont parlé, mais je vais, je vais quand même. Euh, Avec des avis divergents. Des, avis divergents. Et euh, le haut commissaire, à son arrivée déjà, et la première étape de son intervention, c'est euh, une étape qui vise à soulager les populations parce que quand il était venu, déjà, vous savez comment, dans quel état il a trouvé de la il a trouvé la ville. Hein. Et cela nous a amené à nous attaquer de fond au ramassage des ordures sur toute euh, l'étendue du territoire de la De la ville. C'est un fait. C'est un fait. Et cette opération a duré et six mois. Et la deuxième étape, c'est maintenant, c'est après cette, petite, euh, cette première étape qui a consisté à enlever les ordures de façon générale, particulièrement les dépotoirs sauvages, on s'est attaqué au gros tas d'ordures. Là, on a encore mobilisé, en dépit des moyens propres aux municipalités, d'autres partenaires par le Canada, de par là, avec l'appui de, de Niamey c'est là où l'intervention de Niamey Nyala s'est beaucoup fait euh, sentir. Hein, parce qu'il fallait des moyens et ces moyens sont venus en appoint aux, moyen moyens de, des municipalités. Hein. ce qui nous a permis d'enlever l'essentiel des gros tas. Mais il ne suffit pas d'enlever, il faut pérenniser cette action. Et c'est ce qui constituera la troisième étape sur laquelle nous sommes en train de travailler hein, par la nouvelle stratégie que nous voulons euh, pour euh, la ville de Niamey, parce qu'il faut tenir compte de l'existant, comme je vous l'ai dit. En ce moment, on se dit, est-ce que les moyens, tant bien matériels, humains que techniques, nous permettent Et c'est à cela que nous essayons de répondre. De répondre. On va revenir à ce point-là. Vous avez fait le bilan Monsieur Tini, vous l'avez écouté. Est-ce que, euh, en tant qu'urbaniste, vous pouvez considérer que Niamey est débarrassé de ces ordures Eh bien, ça, c'est à leur niveau ce qu'ils ont constaté, mais en tant que citoyen, pas en tant qu'urbaniste, en tant que citoyen, je n'ai pas senti tellement ce qu'ils ont dit, et euh, qu'ils ont fait en six mois-là. Parce que pour moi, tout ce qu'ils ont fait, c'est de la routine, ce que nous connaissons, ce que la ville faisait depuis. Nyame Nyala, tel que c'est conçu, pour moi, n'a pas commencé à travailler. Parce que ce que Nyame Nyala est en train de faire, ce sont les prérogatives de la ville. C'est ce que la ville faisait depuis. Le DG est là, il ne peut pas le démentir. C'est ce que la ville faisait. Et c'est avec quel matériel Nyame Nyala travaille Ce sont le matériel de la ville. Nous avons tous assisté tout récemment au don de la PGRC là. C'est à la ville que la PRGC a donné ça. Donc Nyame Nyala, tel que c'est conçu, je suis membre de ceux qui ont ériger le programme de Niamey Je sais ce qu'on a mis dedans. Mhm. Qu'est-ce qui, doit caractériser Niamey Niala est caractérisé par des points. Il y a jusqu'à 13 points inscrits. Ah, prenons deux, deux importants. l'outil dont je vous ai parlé, l'outil de planification. Pour intervenir sur une ville donnée, il faut un outil. Un outil, ça veut dire un schéma d'orientation qui dit que voilà les priorités, voilà les axes à suivre, tout. Euh, mais le schéma, concrètement, comment ça, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, comment ça doit se caractériser Voilà, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Je dis un schéma, et ça peut être ce que nous avons proposé dans y Nyala, un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire qui fixe les grandes orientations de la ville, par où la ville doit se euh, développer et par comment où sont les zones d'habitation, où sont les zones euh, euh, de, culture, où sont les zones de décharge publique. C'est-à-dire il faut fixer tout ça d'abord, faire un chemin, les caniveaux, où est-ce qu'on a besoin d'abord des grands collecteurs. Tout ça là, il faut les faire, faire un document qui priorise selon l'importance et l'urgence du document. Il faut d'abord cet outil-là. Sans cet outil-là, Niamey Niala peut beau continuer à travailler et ne pourra rien faire. La preuve, quand le haut commissaire parlait là, il parlait seulement des déchets solides. Il n'y a pas que des déchets solides dans la ville qui nous embêtent. Il suffit d'une seule pluie de 20 mm, Niamé est impraticable. Les inondations. Les inondations, bonjour les moustiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que les paludisme tuent plus que toutes les maladies au Niger. Donc il n'y a pas que les déchets solides. C'est pour ça que je dis qu'il faut un outil qui oriente, qui priorise. Qu'est-ce qu'il faut faire En fonction de ça, on peut intervenir. Je prends un exemple banal. Votre radio, c'est sur le programme nous sommes ici. Si vous n'avez pas planifié ça, on ne peut pas se lever, venir tenir un forum. Non, tout est planifié. Donc c'est comme ça. On ne peut pas intervenir sans avoir un programme, un plan d'action. La planification, c'est la base. C'est la base. On va donner la parole à M. Adam, qui est de la ville de Niamey. Qu'est-ce qu'il y a dans la gestion des déchets Qu'est-ce qui a différencié Est-ce que le résultat dont parle Monsieur M. Diallo s'est ressenti et, s'il y a eu une différence avec ce qu'on connaît d'ordinaire Bon, euh, moi je pense que mon espoir, ce n'est pas... L'évacuation des déchets, on le connaît hein, depuis euh, longtemps. mon espoir, ce n'est pas le fait qu'on euh, fasse des activités ponctuelles qui débarrassent les déchets pendant un certain temps et que ces déchets reviennent. Mon espoir, c'est qu'on puisse engager avec Niamey Niala et ce que nous sommes en train déjà de faire, c'est d'engager euh, des stratégies durables faire une gestion durable des déchets dans la ville de Niamey. Ça rejoint l'outil dont on parle de cette année Bien sûr, puisqu'il y a plusieurs types euh, d'outils. Hein. Il y a plusieurs types d'outils de planification. Il y a le, schéma directeur euh, d'urbanisme pour déterminer les zones où doivent se faire l'urbanisation. Il y a au niveau de, de l'assainissement, par exemple, le schéma directeur d'assainissement. Toutes ces questions-là, c'est des stratégies qu'il faut mettre en place et des structures avec le rôle clair que chaque acteur doit jouer de façon à ce que ça soit durable. Et avec Niamey Niala, notre réflexion, c'est d'aller d'abord vers une organisation de la pré-collecte. Oui, mais ça fait plus de trois ans que Niamey Niala est en place. Nous pas fini de, mettre en place la De toute façon, vous savez que c'est une question très difficile une question qu'on ne peut pas tout de suite euh, se dire que voilà, nous avons fait des, tests. Par exemple, l'aménagement des quais, c'est des tests que nous avions menés, qu'il faut, il faut mettre en œuvre pour que ça puisse être, ça puisse être viable. Nous avons euh, entre-temps acquis deux terrains pour aménager une décharge, ce qui avant n'existait pas, on n'avait pas de terrain. Parce que maintenant, comme le, haut commissaire l'a dit, il faut prendre en charge la question des déchets de la précollecte jusqu'à à son élimination finale. Mais en six mois, qu'est-ce que vous en pensez Bon, en six mois, ce qui est sûr, c'est qu'on a pu eh, au moins éviter une accumulation eh, eh, abusive des, déchets dans la ville de Niamey. Même si en réalité cet effort-là a été inhalé par les, grèves répétitives du personnel. Mais en réalité, en tout cas, un effort a été fait puisque beaucoup de déchets ont pu être dégagés. Et comme j'ai eu à le dire, nous nous sommes accordés sur le principe d'organiser la précollecte. Nous sommes organisés sur le principe d'améliorer la collecte et le transport. Vous avez vu que nous avons eu l'appui du projet de gestion des risques de catastrophe du développement urbain qui nous a appuyé, euh, appuyé en matériel de transport lourd. Ces trois camions euh, porte-conteneurs avec 30 grands conteneurs de grande capacité pour l'évacuation des déchets de, euh, de la ville, vers, Et nous avons les deux sites qui doivent recevoir les, décharges on fera l'objet d'un aménagement. Donc moi je pense que ce qui est le plus important, c'est de comprendre que euh, nous ne sommes, y compris au même moment où nous faisons face au quotidien à l'urgence, il y a un système pérenne que nous, nous essayons de mettre en place et qu'une fois mis en place, en tout cas, nous n'allons plus à nous soucier de courir, de nous essouffler derrière le, quotidien. D'accord. Monsieur Diallo, apparemment vous n'êtes euh, pas bien apprécié, comme vous le euh, dites. Mais c'est bien, j'ai apprécié parce que, en fait, euh, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque forme de suspicion à la mairie. Comme je l'ai dit, c'est apporter un appui à la mairie. Et dans mon introduction, j'ai à vous dire que le haut commissaire, il s'est attaqué tout d'abord au plus urgent. Donc la, euh, suppression des dépotoirs sauvages et l'enlèvement des gros tas. Ça, c'est un petit peu pour soulager hein, la ville dans ses activités quotidiennes. Et Maintenant, à l'étape sur laquelle nous sommes, c'est effectivement, comme il l'a dit, mettre l'outil qui permette de pérenniser tous les acquis. C'est dans ce cadre précis. À l'heure où je vous parle, il y a un système de pointage que nous sommes en train de mettre au point pour organiser le maillon faible du système de collecte des ordures qui se trouve être la précollecte. Ah, ma question avant tout cela, vous avez quand même plus de trois ans, hein, le programme niamey Oui trois ans, ça vous permettrait quand même de mettre en place un outil qui est la base, si on, on en croit M. Tini. Pourquoi l'outil n'est pas en place ou, bien il est en place, peut-être c'est d'autres. Vous savez, entre euh, mettre en place et exécuter, exécuter il y a quand même euh, euh, une grande marge. Et quelle est la marge Qu'est-ce qui manque Parce que il est plus facile de se mettre sur table et puis pour faire des propositions mais au niveau de l'exécution, il faut que les moyens suivent. Vous n'avez pas les moyens Les moyens, on ne peut pas dire qu'on n'est pas, pas, les moyens. Je prends un exemple bien précis, par exemple au niveau de l'enlèvement des ordures. Tout le monde dit qu'on n'enlève pas correctement les ordures. On est en train de changer de stratégie. Au lieu de prendre toutes les ordures, les amener à la décharge, aujourd'hui on a adopté, on a opté pour une stratégie qui consisterait à procéder à la valorisation, euh, au tri à la valorisation sur place, de façon à n'avoir enlevé que les ordures qu'on ne peut pas valoriser. Parce que quand on regarde les caractéristiques de nos déchets aujourd'hui, on se rend compte que pratiquement 52% des ordures ne sont constituées que de sable. 32% euh, c'est pratiquement de matière compostable. Et le reste, les plastiques ou autres, aussi en tri. Donc, les déchets ultimes qu'on aura à transporter et on n'aura que euh, transporter les déchets ultimes vers la décharge. Avec les moyens dont dispose la municipalité aujourd'hui, nous pensons, euh, nous pensons raisonnablement, si on raisonne en termes de moyens, les moyens sont là pour pouvoir y faire face. D'accord. Alors, on va avancer. Euh, on a parlé de gestion des déchets. Maintenant, on va parler du volet déguerpissement, puisque ça rentre en tout cas dans le cadre de l'assainissement de la ville de Niamey. Et pour cela, je vais vous proposer de suivre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui était intervenu hier soir pendant un certain temps. Ah, il était l'invité de la télévision nationale et il a apprécié ce programme de déguerpissement. Je vous propose de suivre ce qu'il en pense. Il avait fallu que lui vienne pour que les routes de Niamey changent, pour que Niamey devienne une ville, pour que les Nigériens soient moins complexés lorsqu'ils vont ailleurs, pour qu'il y ait Dosso, qui, est redevenu aussi une ville, qu'il y ait eu Maradi Kolia, qu'il y ait eu Agadez Sokni, et ainsi de suite. Nous avons une situation, nous, nous avons le cœur fendu euh, lorsque nous voyons ce qui s'était passé. Mais les responsabilités elles peuvent commander aussi des choses douloureuses. Ce que nous avions aux alentours du grand marché n'était pas une situation acceptable. Ceux qui ont fait, ceux qui ont causé cette situation sont des criminels. Un marché a été conçu, il a été construit. Il y a un parking, il y a des routes avec leurs chaussées, leurs trottoirs. Mais ce qui s'est passé au grand marché, c'est qu'après qu'on a construit le marché, on a envahi le parking par des boutiques, des petites boutiques qu'on a construites tout autour du marché, des étals qui sont venus occuper le trottoir et même occuper la chaussée. Vous avez beaucoup de personnes aux alentours qui ont leurs propres boutiques, qui ont leurs officines, des pharmacies, de, de, de maisons de commerce, qui ne sont plus accessibles. Et puis la route elle-même n'était plus accessible. Il y a une situation d'insécurité extrêmement dangereuse. Et c'est notre capitale, c'est-à-dire la vitrine de notre pays. Lorsque quelqu'un vient au Niger, il vient d'abord à Niamey. Cette situation, on ne peut pas la tolérer. Nous avons dû, la mort dans l'âme, prendre les décisions que nous avons eu à prendre. Faire déquerbir les gens. Euh, après que nous avons pris ces mesures qui ont concerné à peu près 4000 euh, boutiques, nous disposons aujourd'hui, sur la base de l'évaluation de ce potentiel sans le, le, le cimetière, de 6350 places disponibles qui vont, euh, à partir de maintenant, être affectées, hein, qui ont commencé hein, depuis la semaine passée à être affectées à tous ceux de déguerpis qui, les voudraient, qui voudraient cesser de squatter hein, les, alentours du grand marché et euh, les, trottoirs. Il me semble que le jour où nous aurons réalisé tout cela, euh, l'histoire retiendra que nous avons mis fin à la situation de cafarnaum qui prévalait autour du grand marché. Voilà le, volet déguerpissement vu par le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, Bazoum hier soir sur le, plateau de la télévision nationale. Et, mais vous l'avez écouté. Est-ce que ça a contribué à, à rendre Niamey coquette, le déguerpissement Bon, euh, le déguerpissement opéré ces derniers temps-là. Moi, c'est une question sur laquelle euh, je ne voulais pas me prononcer. C'est pour des raisons propres, personnelles, je ne veux pas, parce que je me suis dit que euh, avant de procéder au dégarpissement, c'est sous le, euh, les yeux de tout le monde que ça s'est réalisé, au vu aussi de tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de préparation Non, je veux dire l'installation même. Ils ne sont pas venus à nulle nuit et que paf, le lendemain, tout est à Paris. C'est au vu aussi de tout le monde, sous le regard du ministère et même. Euh, c'est dans le temps que tout s'est passé. Ils ont, laissé faire. Ils voient tout. Je me souviens en 2005, euh, euh, avant la conférence, j'ai eu la chance d'assister à une conférence, à une. comment on appelle ça Une rencontre. non, c'est une. les rencontres d'urbanisme régional commission, la commission régionale d'urbanisme de Niamey, où c'est moi-même à l'époque qui ai évoqué ça, la question de l'occupation, de l'occupation anarchique, des voies euh, publiques et des mesures à prendre avant qu'il ne soit trop tard. De 2005 aujourd'hui, nous sommes en 2017. Donc il faut voir euh, depuis lors si on l'avait déjà on avait commencé en ce moment-là, si on l'avait arrêté à temps, ça ne pourra pas continuer jusque-là. Donc on a laissé, on a continué. Donc c'est pour cela que je dis, je me réserve sur cette question. Mais l'assainissement, je reviens un peu en arrière, si vous me permettez. Moi, j'aimerais qu'on parle euh, où en est-il des schémas d'assainissement, de drainage des eaux de la ville. C'est ça le vrai problème d'assainissement dont Niamey souffre. Est-ce que Niamey Niala a commandé un nouveau et des études pour euh, un nouveau schéma d'assainissement de la ville parce qu'on connaît que le premier schéma date des années 80. Si je parle sous le contrôle de M. le DG, des années 80, et financé et réalisé par les, Allemands. Et après, il y a eu une deuxième étude financée par la JICA, mais qui malheureusement, c'est juste l'étude qu'on a faite, mais on n'a pas pu réaliser même un seul tronçon, même un mètre de caniveau. Et qui est dépassé aussi aujourd'hui. Le nouveau schéma, on va en parler avec, les acteurs. M. Adam est là il va répondre un peu plus tard, mais appréciez quand même l'opération déguerpissement. Ça a contribué à rendre Niamey coquette Oui, la question du déguerpissement, c'est une question sur laquelle euh, les auditeurs connaissent mon point de vue, puisque j'ai eu à me prononcer plusieurs fois là-dessus. C'est un mal nécessaire. Et je crois que avant même d'engager les actions en tant que telles, nous n'avons jamais cessé donc il fallait le faire. D'indiquer que la situation ne fait que s'aggraver et ça est en train d'atteindre des points culminants où ça devient intolérable. Je crois que eh, le déguerpissement a permis de constater qu'il est possible de faire du Niamey une ville coquette. C'est total Est-ce que tous les lieux ont été dégagés Non, ce n'est pas l'ensemble des lieux. Mais vous savez que, vous, savez, que c'est quand même un phénomène qui a duré. C'est un phénomène de plusieurs décennies. Nous ne pouvons pas, euh, ce phénomène-là qui a duré plusieurs décennies, venir le faire en quelques temps. Ce que nous avions fait, nous avons mis des priorités. Et ces priorités-là, c'est autour du grand marché. Je crois qu'il est indéniable que la situation là-bas était appréciée, tout le monde savait, sauf ceux qui ont des intérêts à eux, savaient que la situation ne peut pas perdurer. Il est clair également qu'autour des écoles et de certaines institutions, la situation est telle qu'on ne peut pas rester croiser les bras, regarder notre ville évoluer de cette façon. Il fallait le faire. Il est vrai, certains ont émis des réserves, mais il est clair que s'il fallait attendre, toujours repoussé à demain ou à plus de, après-demain, après-demain, nous allons faire en sorte que il y ait une certaine, un certain immobilisme. Un certain courage a été pris pour faire des actions qui ne sont pas des actions définitives. Donc il, faut s'attendre à d'autres fonds de déguerpissement. Il faut corriger, il faut améliorer jusqu'à ce que nous puissions atteindre. Les objectifs, ce n'est pas le lendemain où on a déguerpi que les gens vont dire que ça devient une ville lumière. Euh, monsieur Diallo, euh, en quoi est-ce que ce, programme, euh, cette opération de décapissement vous a aidé dans votre volonté de rendre Niamey vraiment coquette Bon. Personnellement, il y a une question qui m'a été déjà posée. Oui, il y a le schéma, nous allons peut-être. Non, non, parce, par, rapport même à ce, décapissement, parce que nous, comme il l'a dit, c'est un comité interministériel qui s'est occupé de ce volet déguerpissement. Je pense que, comme il l'a dit, c'était un mal nécessaire. Peut-être, de mon point de vue, ça c'est un point de vue très personnel, on devait prendre des dispositions préalables pour procéder au déguerpissement. Et pour répondre à la question qui m'a été posée, parce que moi je m'occupe personnellement du volet et assainissement. le schéma directeur. Le, non, le schéma directeur. Le schéma directeur. Le schéma d'assainissement. Et je vois euh, autour de quoi tourne euh, la question de mon collègue. Je dis, il a tout à fait raison qu'il faut un schéma directeur. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les ouvrages que nous avons, c'est des ouvrages dépassés. Mais on ne peut pas dire aussi que depuis l'installation de Nyame rien n'a été fait. Moi, je ne suis pas sur le dossier, mais le, docteur de des services techniques euh, municipaux de la ville peut attester que des études sont en cours pour répertorier l'ensemble des ouvrages euh, de drainage euh, des eaux, aussi bien fluviales que les eaux usées ménagères parallèlement à la gestion des déchets ou bien c'est un autre il y a une, qui va venir bientôt. Au niveau de Niamey on a euh, une de nos structures qui s'occupe uniquement de ces volets, plus les, infrastructures dont la question m'a été posée. Je n'ai pas euh, tous, les, euh, tous les schémas, mais c'est à la portée de n'importe qui qui serait intéressé par le secteur une fois qu'il sera à niamey il verra toutes les propositions qui ont été faites et qui sont même discutées. Je crois que le, directeur des services techniques municipaux peut l'attester, qui sont discutées euh, au sein du comité interministériel ah. d'aménagement, les, schémas, tout, tout, tout, euh, c'est en cours. Il faudrait que tout cela soit validé pour que les travaux et démarre proprement. Mais Tini. oui, pour appuyer et puis peut-être euh, euh, euh, donner des perspectives. Monsieur Diallo, d'entendre parler qu'il y a des études en perspective, ça me réjouit parce que c'est ce que nous attendons depuis fort longtemps. Si j'ai parlé sur l'assainissement et posé la question, je dis bien c'est parce que je fais partie de ceux qui ont rédigé le programme niamey Nyala. Oui, je sais ce qu'on a mis dedans et ce qui devrait être fait et j'attends jusqu'à présent. C'est comme si on dit résultat attendu. Donc j'attends hmm. de quelque chose de Niamey-Niala. Les déchets solides, je dis, quand j'entends ça, moi, ça m'irrite. Parce que je me dis que c'est quelque chose que, qui a été fait depuis les années 80 ici. Euh, avant d'atteindre quoi, il y avait avant les décharges publiques de Niamey, il y avait même une maison construite là-bas uniquement pour le traitement des déchets. Mais c'est une en conclusion parce que le temps nous est imparti. Qu'est-ce qu'il euh, faut pour euh, ah, cet objectif Vous allez revenir euh, pour, cet objectif pour de Qu'est-ce qu'il y a dans l'immédiat Dans l'immédiat 2017 2017, sur de rapidement, ne serait-ce que des ébauches d'études sectorielles avant d'intervenir. Tant qu'il n'y a pas d'études, une intervention et sur le terrain ne pourra rien arranger. Il faut un plan. Moi, c'est ce que je leur demande. Monsieur Adam, vous avez le plan oui, je peux vous rassurer que déjà, avec l'appui de l'AFD, des termes de référence ont été élaborés pour la révision du schéma directeur d'assainissement de la ville de Niamey. Donc pour 2017, on verra le schéma directeur d'aménagement de la ville, mais bien avant. Comme il l'a dit, le premier schéma date des années 80. Il y a eu un deuxième schéma financé par la JICA de 2001, qui est un schéma qui a été bien élaboré mais qui n'a pas connu de mise en œuvre. Et dans ce schéma-là, le nouveau schéma, le, le, le schéma de 2001, de 2001, avant même l'élaboration du nouveau schéma, il y a des dispositions pertinentes qui vont être mises en œuvre dans le cadre du projet de gestion des risques de catastrophe. Il y a dans chacune des cinq communes des collecteurs qui vont être construits. Et pour 2017. Pour 2017, ces collecteurs-là ont été programmés. Donc c'est une série de correcteurs sur l'ensemble. On verra. Euh, notamment c'est la zone un peu de Bédir, c'est un certain nombre de zones, de bassins versants qui ont été identifiés dans la ville de Niamey et pour lesquelles les dispositions du schéma de 2001 restent encore pertinente. On verra bien en 2017. Nous sommes déjà dedans. Oui. Euh, peut-être on aura l'occasion de faire le bilan si Dieu nous euh, Monsieur Diallo, vous allez conclure. Euh, qu'est-ce que Niamey Niala nous réserve en 2017 Pour Monsieur Tini, je suis bien vous content avez de 30 secondes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de temps. je vous invite à Niamey Niala pour voir un petit peu tout ce que ce programme. Et si vous pouvez encore nous apporter nous sommes ah, preneurs. Sa contribution. votre contribution. Sachez que nous sommes preneurs. Et vous insistez beaucoup sur l'aspect. Euh, c'est un volet important. Euh, peut-être qu'on aura l'occasion de discuter. Mais en 30 secondes, qu'est-ce que vous nous prévoyez Parce que je, vous dis, quand vous parlez d'assainissement, vous parlez de système de drainage. Moi, je, parce que c'est le volet qui vous intéresse le plus. Il n'y a pas cela. On le fait pour les auditeurs, pour toutes les populations. Il y a aussi. Hein, <laughs> pour 2017, qu'est-ce que vous nous prévoyez pour vous avez, 2016, euh, il y a eu la gestion euh, des déchets, vous avez donné votre appréciation. Pour, 2017, la, gestion des déchets, on continuera. Euh, vous avez 5 secondes. Nous, continuons nous continuerons toujours le processus de déchets pour mettre un système périn qui permette de juguler le problème. Voilà, merci beaucoup euh, d'être venu, chers invités. Niamey Niala, notre technicien, et puis euh, la ville de Niamey. Merci d'être venu. Euh, on verra demain pour une autre thématique. Bonne soirée.